président du mouvement Beren Khombol, vice-président du conseil, vice-président et coordonnateur du Conseil national de la jeunesse et membre du Conseil économique, social et environnemental, rapporteur de commission. C'est tout d'abord une formation que nous avions déjà euh, fait à Khombol avec le Centre national, en partenariat avec le Centre national d'information et de documentation du ministère de la Jeunesse. Nous avions eu formé 100 jeunes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, c'était la cérémonie de remise des attestations, euh, ici même, pour les récipiendaires. Et cette cérémonie était présidée par le conseil technique numéro 1 du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et la Promotion des Valeurs et la Construction Citoyenne. En tant que jeune la locale, c'est tout d'abord le développement de ma commune. Je, me suis toujours investi depuis plus d'une dizaine d'années au niveau du mouvement associatif avec beaucoup, beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. Donc, euh, avec euh, le nouveau schéma actuel, c'est un contexte actuel, le contexte de référendum, il fallait maintenant descendre à la base et pouvoir euh, parler avec le mouvement associatif, la société civile, mais aussi avec la bannière que j'avais déjà eu à aller durant les élections locales passées, c'est-à-dire Ben Rombol, au nom de la Convention pour l'unité et le développement. Je pense que moi, ce qui me lie, c'est l'épanouissement des jeunes de la commune de Rombol. J'ai ma ligne de conduite, j'ai ma manière de faire, et je pense que ce qui a été fait par euh, celui que vous m'avez de citer, je pense ne me regarde pas. Ce qui me, ce qui me lie, c'est mon contrat social avec la commune de Khomboul. C'est pourquoi j'ai mis en place et nous venons de monter le nouveau collège électoral en vue en tout cas d'accompagner le chef de l'État pour un oui massif dans la commune de Khomboul. Alors croyez-vous être à la hauteur Je l'ai déjà testé durant les derniers locales et je pense pouvoir en tout cas aller selon ma propre bannière, selon mes propres moyens pour pouvoir en tout cas contribuer euh, en tout cas à la victoire du chef de l'État. Parce qu'il faut le reconnaître, euh, la durée en tout cas du mandat du président de la République ne doit pas aussi inhiber les autres points du projet de réforme. Donc c'est une obligation de ma part de rencontrer la population, de faire des porte-à-porte, des sensibilisations, des conférences, pour en tout cas jouer ma partition pour, pour cette victoire éclatante au niveau communal. Mais que dites-vous de deux comités électoraux dans une seule euh, commune euh, Je pense que euh, j'ai entendu dire que c'est un comité du Bénon. Durant les dernières locales, il y avait le Bénon et j'étais dans la liste au niveau communal, dans la liste moi seul. Le Bénon s'était retrouvé avec 300 et quelques voix. Moi, je me suis retrouvé avec 1200 voix. Donc c'est le Bénon qui devait s'adresser derrière moi, mais pas une autre personne. Pas l'étrangement à une autre personne. Ça, ça ne me regarde pas, personnellement. Ce qui me lie, c'est mon contrat avec le chef de l'État et j'essaie en tout cas d'emprunter ce chemin. 100 jeunes, 100 jeunes et signer un protocole d'accord pour 300 jeunes. Pour 300 jeunes à exécuter au mois de mars. C'est surtout pour réduire la fracture numérique. Nous sommes dans une zone semi-rurale et c'était seulement pas les jeunes de Khombol, mais c'était les jeunes de la communauté de Toubatoul, de Ndien Sarah, de Tungundian et de, de J'ai toujours fait ça dans le cadre des formations. J'ai toujours en tout cas essayé d'introduire tous ces jeunes pour qu'ils puissent en tout cas avoir l'opportunité de s'approprier des, formations de base. D'ailleurs, nous avons formé un jeune qui informatique en partenariat avec le Centre national information et documentation ministère de la Jeunesse. Nous avons saytu que ñun yu cyber donc obligation pour nous ñu mën former informatique loolu mo waralon ñu jeunes former nous tay ñu leen doon jox attestation mais en même temps signé un protocole avec SNIT ci projet bo cofinancé par Step Foundation bu bu ONG américaine pour nous jël en charge maintenant pendant 3 mois 300 jeunes et que protocole d'accord signé avec le conseil technique du ministère de la jeunesse nous permettre former jeune jeunes par par par mais former aussi ñi nga jeunes pour réduire euh, fracture numérique mais en même temps diplôme yi ci accéder au moins à un premier emploi ou bien ñu stage. selon convention état employeur la bi ci au moins la priorité. waaw man comité électoral man euh, xaw ma ci des man sama bos laa xam parce que bi ma xam mooy bi nga xam ne moom lañ jamaloon ci local yi passé local yi passé biñ ko jàngatee biñ demee ba ci digg ba mu am coow dañu demal suñu bopp liste départementale ay résultat am bii pas aussi dañ ñu demoon ak suñu moyen bopp bi aussi gis nañ ne que mbir mi doxut ci commune bi donc obligation ci noonu ci pour mën a contribuer en tout cas pour un vie monsieur Akhombole ñu teg suñu comité électoral ne dañuy dem ak suñu bopp pour mën a sensibiliser nit ñi ci ponk yi mais aussi former leen en même temps sensibiliser et puis def ay porte à porte pour que ñu mën a am en tout cas wi euh, bi mën a remporter à Khombole loolu ñu def nag du pour keneen du pour ma Samba ou ma Demba c'est un contrat social boo xam ne moo ñu lié directement avec le euh, le président de la République et que ñu gis ne taxawaayu Khombole laaj na que état bi dugal ci loxoom président dugal ci loxoom parce que ba léegi dara doxut donc loolu mooy waral aussi que ñu ne nañ ci jàpp pour que aussi li nga xam ci moom la ñu mébét pour xombal vraiment président de la République mën ko def. ci lim ñaata ndaw ngeen tàggat. Euh, tàggat nañ ndaw téeméer cent cent ndaw lañ tàggat euh, muy téeméer ñu tàggat jox nañ seen seen ñoom seen lijaasa mais en même temps signé nañ protocole bi pour 300 ndaw donc yaakaar naa bu yàggee facture ni dañ ko dina dina wàññeeku mais aussi jeunes yi comme ni ñuy wax rek il faut que adéquation formation emploi mën a am ndax jeunes aussi il faut nga former leen ñoo am benn diplôme bu ndaw pour mën commencer au moins seen premier stage pour mën a dugg ci convention état employeur ou bien projet yi nga xam ne la fi ANPEJ teg. non xam nga loo xamul yëgoo ko waxoo xamoo ko te nga gis aussi que dëkk bi ni muy doxee dafa gàll goose yaakaar naa ni dugg ci erreur la donc euh, say say say nit nga mës a nekkal yoon y nga a jël mosoo dugg ci fu jaambur donc gisuma opportunité pour ne dama cay dem. élection yi passé euh, tout le Benno s'est retrouvé avec trois bi et quelques voix donc test à grandeur nature lañ ñi xam maintenant nañ l'élection élection yi passé résultat résultats au niveau communal au niveau départemental Nous mu au niveau départemental avec 1200 voix et quelques donc euh, ça nous suffit largement en tout cas sans moyen ma Samba ak ma Demba selon xamante ni xame nañu ak li nga xamante ne moom lañ mos a def ak ñoom seq ak ñoom en attendant xamoo ko ñu suba lu muy nekk mais demain nous édifiera en tout cas.